13 mars 2024. Bonjour chers auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou. Il est 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Rabia Mekano et je suis avec Mariam Adé. La technique aujourd'hui assurée par Seni Isaka et l'édition, nous avons la grande dame Raïla Toussoumana. Bonjour Mariam. Bonjour Rabia, en forme ce matin Ça va, alhamdulillah de mon côté tranquille alors. Qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien, chers auditeurs, durant tout ce mois de Ramadan, nous allons vous offrir plein d'autres rubriques. En effet, dans ces parties de l'émission, vous aurez des conseils pratiques sur les conduites à tenir pour bien accomplir votre hygiène, Ça sera avec des prédicateurs et spécialistes en nutrition. Ce n'est pas tout des recettes et astuces en cuisine et pour votre bien-être vous seront également proposées. Nous, euh, mais avant, il y aura le flash d'information. Nous recevons comme invité aujourd'hui Raïla Toudaouda. Elle est Restauratrice. Dans cette émission, il y aura également le loti des femmes du studio Kalangu, la page sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou, sans oublier la culture linguistique en Nous sommes mercredi et le mercredi, les rubriques hebdomadaires est consacrées aux questions environnementales. Aujourd'hui, dans l'écho des régions, nous partons à Timia, région d'Agadeza pour découvrir dans quelles conditions les producteurs exploitent les terres dans le maraîchage. Chers auditeurs, avant la fin de l'émission, nous allons écouter les messages des auditeurs. C'est parti pour une l'antenne. Sans plus tarder, voici les flashs d'informations présentés par Rafika Taher. Bonjour, Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Alors, quelles sont les nouvelles Ça va Oui, ça va. Et pour ce matin, une délégation de hauts responsables américains séjourne à Niamey du 12 au 13 mars 2024 pour échanger avec les autorités de la transition. La diplomatie américaine a eu une première séance de travail avec le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen ainsi que des membres du CNSP. Les échanges vont se poursuivre aujourd'hui et une conférence de presse est prévue par la partie américaine pour faire le point sur les concertations avec les autorités nigériennes. Le ministère de l'Éducation nationale, par arrêté, a revu le calendrier des grandes vacances pour l'année scolaire 2023-2024 et la rentrée scolaire 2024-2025. Pour les congés, ceux de la fin du deuxième trimestre sont fixés du lundi 1er avril au mercredi 10 avril 2024 et les grandes vacances pour les classes sans examen sera du vendredi 14 juin au lundi 30 septembre 2024. Les classe d'examen du vendredi 12 juillet au 30 septembre 2024. À Zender, le problème d'eau a refait surface depuis quelques jours. Selon notre correspondante, la situation se complique pour les populations qui peinent à s'approvisionner en eau potable, surtout en cette période de chaleur. L'arrivée du mois de Ramadan n'arrange pas les choses. La société d'exploitation des eaux n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet parce que des travaux pour solutionner le problème est en cours. Et c'est tout pour le flash de ce matin. <laughs> Merci, Rafika, pour toutes ces informations. Comme annoncé tantôt, nous sommes ce matin avec Rahila Daouda qui détient un restaurant du nom de Momi Ikifuda. Bonjour Rahila. Bonjour Bonjour, comment allez-vous Alors, merci d'avoir répondu. Présente à... Vous êtes à nos côtés. Nous savons que c'est compliqué en cette période mm. avec tout ce que vous avez comme commande. Mais nous allons directement avec notre première question. Nous voudrions bien savoir, en savoir plus sur votre parcours. Comment vous vous êtes retrouvé dans la restauration Mm-hmm. je suis, je, je suis une, une, femme divorcée. Ok. J'ai deux filles. Ok. Après le, la divorce, je me suis dit, mm-hmm. il faut que vraiment je, je, cherche quelque chose à faire. Ok. Ça n'a pas été facile, vraiment. Ok. De nos jours, divorce, on abonné, on hankali. Donc, je me suis dit Il faut que une révolte une kaina le papa m'a dit ah kina n'a pas da commerce in nace mishi a'a bani da yace to il va il va me lui aussi il est à retraite mais avec tout ça mini il va me donc mm. avec ça des je commençais par faire à checker à checker Garba -hmm. je poste sur mes statuts WhatsApp Facebook depuis en depuis en 2022 Mm. l'année l'année surpassée. Mm, tout 2022, oui, oui, oui, oui, ça va voilà, avec les, com les, les, commandes, ça va, tout le monde achète. Mm. Je, je m'en sors vraiment. Ok. Oui, oui. Est-ce que à quoi ta formation ne kika yi ba sakan harkan cuisine? Mm -mm. Kawai dai kin sa kanki dai. Kawai dai ina zamne abin ya zo mini. Mm -hmm. Na ta yi kawai na ta kasuwa. Na ta kasuwa na na sassiye abubuwan da zan siye. Na zo na na dafa kayana na yi poste. Mm. De posté et puis le matin, je me suis rendue au marché pour payer les condiments mhm. et tout, tout, tout. Et puis le jour-là, je, je, me suis sortie avec 15 commandes. Alhamdulillah. Ah ouais, ouais, ouais. Je me suis sortie avec 15 commandes les gens m'ont vraiment épaulé, fils Bill. Ouais, ouais, qui t'ont mhm. vraiment soutenu. Vraiment, hawa enda basani ba. Ouais, mon ouais. réseaux sociaux signé aidé sun yi ta komande to yanzu muna cikin watan ramadan mhm. wannan watan wani mahimmanci ne ke gare shi cikin business kinki da kike cikin kasuwancinki na abinci yana da mahimmanci saboda joye de meni da nake yi cikin ramadan epi wallahi alhamdulillah joye mon so kuma ni ba ni sa kuɗi da yawa c'est juste pour vendre et puis aller me reposer Mm. Pour aller me reposer, je ne mets pas beaucoup d'argent. Par exemple, la tchéquée, beaucoup vendent ça à 2500 moi je, je vends à 1500 2000 ok to yanzu banda a ce ke wani irin abinci ne kike ina yin dukunu ina yin masa masan biri mm -hmm. Ah, wainan biri ok wainan biri mm. ina yin su ya ake cewa shinkafa da miya wani surundu duka wannan baki shiga ba ah, tukuna ko ba fara yi ba eh, gaskiya ina yin bakin tuwo Mm. mi on kubewa la dernière fois ma da aka yi wanga concours culinaire ni ne important prix in Ok, ah, <laughs> C'est bien ça, nous avons une championne avec nous aujourd'hui. <laughs> Rahila Kunagamana, qui sont vos plus grands clients en cette période Les hommes. les hommes, fils Villay. C'est vraiment qui, qui, qui m'encourage ba ta yiwa in aza abu in ce ya zanyi yi fisbillah et eh, je gardais mes clients de depuis toujours ils na aza ils vont pas ils vont pas me dire que voilà kaza kaza mais il y a des fois s'il y a des défauts aussi suna miki suna mini suna mini eh. wanga mi ake critique positif haka <laughs> eh, ki gyara kaza ko ki gyara kaza kaza c'est à cause de que je suis arrivée jusqu'ici in na yi wani kaɓɓa haka suna kwatanta min su ce min to kaza kaza kaza wance ifo an fi arrange quelque mm. chose gishiri wani aron an turki dijar dai oh, suna dai kwatanta miki da yana suke son abin ya tafi to eh. yanzu dai lokacin da muke ciki lokaci ne da eh, kamar muna so mu sani a wurin a wurin ki yale kike ganin kamar kayan da suke bisa kan kasuwa mm. eh, kayayyakin da kike amfani da su yani ana suna kina samun su akwai yawan akwai yawancin su eh akwai akwai sai dai tsada ok tout devient cher vraiment mais je je pensais au mois béni na ce to zan special ramadan mm -hmm. kuma na par exemple yanzu je lundi wanga ne na dambun legim na je vendis le plat à 1500 plus jus. Okay. Jus wanga, jus d'ananas. Mm. Donc c'est pour aider les gens. à samu tani ba su Surtout dans les, dans, dans, dans les affaires la sani là. Les gens n'ont pas l'argent. Donc du coup, toi moi aussi je veux faire quelque chose. don in hmm. mutane. Ke ma ki taimakawa, mutane mais tout coûte cher vraiment. Surtout côté, côté wanga me ake cewa les, les citrons gingembre là bon wallahi ba su tabuwa mai on fait avec to yanzu da cikin abin da kike ana samun abin da ya kamata kina samun abin abin wallahi alhamdulillah alhamdulillah kamar yanzu nawa kike tashi da shi a garana guda haka to yanzu in na sa kaman kenzmil mm. ina iya huta da kenzmil riba Okay, a ah, kina iya samun riban kenzmin eh, ina iya samun riban kenzmin a to masha Allah mm. to za mu ci gaba da wannan hirar tamu mm. e, uh, mai kannan maryam Rabi, passons au conseil ramadan. Dans cette émission, Oustad Salamatou va nous parler de l'importance de la prière de Traoui pour la femme. Dangance da kuma sallar tarawihi da ake ganin mata suke zuwa. Yi eh, sallah ba ana ba mata su ta yi. Dan annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana cewa idan matan ku suka ce za su ta yi masallaci to kada ku hana su. Amma mace an son ki yi sallah a ɗakin ki. a ɗakin ki ma a ƙuryar ɗakin ki ta fi lada kenan mu mata mu tsaya mu sallah a cikin ɗakunan mu ba idan mijinki ya ce ba za ki tahiya ba sai ki fara yin hushi koko kina hayaniya kina cewa a'a yo ai kun san daman addini ya ce mace ta yi biyayya ga mijinta ko amma banda abin da zai saba ma dokokin Allah To idan ma ya ce ba za ki tafi ba ba sai kin yi hayaniya ba. Ai wannan ba saba ma dokokin Allah ba tunda kun je aka ce a ɗakin ta ya fi lada kenan ki tsaya ki sallake a ɗakin ki. Ku ko maza ka ku ce za ku hana matan ku. Ba a ce za a hana ka kyale in ta yi niyya ta tahi. Amma dai mu mata ina ina jan hankalinmu ki tsaya ki sallah a gidanki ya fi idan kina da iyalinki ɗiyanki sai ki ja su balle mata Kuma misalin ne ina da ɗiya mata masha Allah guda hudu a gida muke sallan mu lokacin da baban nasa yana garin ma sai ya tai masallaci wani bi ya tai da su wani bi mu tsaya a gida ni ke zame musu idan muka ira sallan mu sai mu yi harkoki abin da za mu yi can gaba kenan ke mace baya, dole ki ce wai ke sai kin tada hankali a'a masallaci ya kamata ki tsaki a ɗakin ki a ɗakin ki ma a ƙuryar ɗakin ki ya fi lada idan za ki idan kina a gida kuma eh, mahi yawanci yawa abin da nake so in ja mu a kai kun ga a watan ramadan ana cewa eh rana kaza eh dare na kaza ana yin raƙoyi guda kaza a yi kaza kaza kaza a bai inganta ba ke kawai abin da za ki yi na filfilinki wanda kike iyawa sallar tarawi kuma kun san da guda goma ne ko bayan isha'i ai guda goma mahi yawancin masallatai sai kaga sai su karanta daga suratul fi'il alamtar kaifa kenan zuwa nas kul a uzu barabin nas kenan kenan idan su ne za ki tsaki a ɗakin ki ki ki ki ki karanta su guda goma sannan ki zo ki kawo shafa'i da wuturin ki ki sallake kawai lahiya kwance amma ka ki tada ma mijinki hankali ko kuma ki ci a dole sai kin tahi Allah ya sa mu dace C'était là le conseil Ramadan avec Oustaza Salamatou. Elle était au micro de Hawa Ousmane. Cher auditeur, poursuivons avec la deuxième partie de nos échanges. Tarada. Euh, euh, Hajia Rahila Rahila da take nan tare Rahila mon dawa gare ki so mseni kuna da meni special na Ramadan kinga eh ina da to ina avec viande hachée da jus d'ananas ina yin crêpe au sauce def wanga naman shanu mm. ina yin dukunu da fankasu da masan biri pour le vendredi mm. a cike garba kunun aya duka ina yi ok mm. to yanzu dai bisa kan wannan business kin na abinci mm. kuna da yawa -hmm, -hmm. ya ne ke kina kika hidda kanki daban kike kika wani irin bambanci ne ke da kwai tsakanin eh, abin da ke kike yi da na mutane kamar concurrence comment tu arrives à te démarquer de la concurrence wallahi moi genre ni kaman ban taba ma tunanin wa'annan ba kawai in yi etendre objectif ina kawai kin sa aikin gaba in kai poste in ina iyawa in maka partage c'est le minimum da nake iyawa mm. mai après ça wallahi ban taba ko ni ban taba kwana da wani ba ma mm-hmm. tashi nake da kaina in kwana da kaina to yanzu kamar a ne ta tsara aikin ki dan dai a ce dai ya je daidai ke ma ki samu ki eh, kula da kaina ke ma ki samu ki hiddo kanki cikin wannan lokin nan mutane mm-hmm, wanda mm-hmm. suke cikin commerce kin wannan to ma je je mai jour kamin mm. azumi ina da jour ina da nake yi je mm. prends 4 jours par semaine haka yau in na yi a cake gobe in yi wangami ake cewa in yi dukunu epi in yi bakin tuwo da miyan kubewa epi shak vendredi in yi masa wainan biri amma waɗannan abincin da kike nan gazancan su ba namu bane na nan <laughs> a cike dukunu ba namu bane to ko a ina ne kika ko wani koyo ne kika takana suna su koko to a ce dai Jobe ke an Cote Na yi zama Cote d'Ivoire, na yi zama Ghana. Ah, na iya wannan abincin. Kwan baƙin tuwon na shi ma na doya nake yi, mm. na busassan doya. Bayan doya nake shanyawa, sai mhm. ya bushe. In ya bushe sai in kai shi in niƙe, sai in zo in yi tuwo da shi. To yanzu kuma ho da wannan harkan frontier for me da wani <laughs> ina ne ke samun kayan na kina samun siyan da kike so? Muna samu tun da diya da aka yi wani in ya ta yi rupcir wani bai ta rufci. Mm. To yanzu muna so mu sani wani irin matsaloli ne ko fuskanta cikin wannan lokaci da komai yake yayi tsada. To wallahi akwai akwai difficulty tunda in ka tai kasuwa ma wata sai kai kuraje Imagine ladar dernière falo landi da na tai kasuwar da aka fara azumi. Mm. Walai na so in komo dawo gida kawai in ce na hwasa eh, ya za a yi dole dole ko cikin ido ta zamna da ce to haka dan dai kai dai dan dai kalka zamna ba kai komi ba an tuka ni da na saba da nema ban iya zama ban yi wani abu ba in na kwanta ma sai in ga kaman dai an baro sai in ga kaman kuɗin nan ina zan same su in na kwanta mai in na tashi na tai na nema na san da waɗannan da na bada na samu waɗanda suka hi su mhm, mhm. haka nake yi eh, mai mm. wallahi sai fa fasil To, yanzu da fara experience kina ke cikin harkan dahe dahe restoration ko mm. kina iya ba masu shirarin mata da suke ba suka wannan shirin kamar des Zastus, da zide wanda suke iya gyara girkin su a wani lokacin na girki sosai da mm. ake yi. To, kamar dai cikin wanga azumin ya kamata a ce chaque femme tana da meninta du lundi au vendredi mhm. Mhm. du lundi au dimanche za a cewa mhm. yo yau in ki kai kaza gobe ki kaza ba ta yiwa ne kamar a ce kina gidanki kullum a ce abinci iri guda kike yi ka yanzu me ake cewa zamani ya zo da ga youtube ga komi da kin shiga kin samu ide na abin da zaki dawa na abin da zaki right. kullum ya kamata a ce ke kina da experience plus kina tashi da sahe kina bude ido plus experience in ki tana karuwa kina nema kina nema anyema nema a nema a mm. nemi mm. eh. reset eh. kuma a samu menu Vraiment. mun gode mm. hajiya rahila mm-hmm. sai mu ci Allah ya bada sa'a vraiment on vous souhaite bon vent et euh, une bonne rupture de jeûne merci beaucoup maintenant c'est l'heure pour nous euh, de suivre les conseils diététiques Mariam en ce début de Gendrabi, il est important de bien s'alimenter pour maintenir son énergie durant tous les mois. C'est le conseil du docteur Hajara Yahya, nutritionniste à Zender, et le micro de notre correspondante Zara Boukar. Le jeûne du mois de Ramadan est un moment pendant lequel le musulman doit s'abstenir de boire et de manger de la lever au coucher du soleil, ce qui impose au jeûneur un nouveau régime alimentaire. Mais les problèmes se posent au niveau de la rupture où le jeûneur a une envie pressante de tout manger à la fois explique docteur Hajara Yahya, nutritionniste. Chaque musulman doit comprendre ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Par exemple, tu sais que l'essentiel ici, en mangeant pendant le mois de jeûne, c'est de pouvoir satisfaire son besoin nutritionnel, en même temps d'avoir du réserve. Maintenant, comment est-ce qu'il peut avoir ces réserves-là et pouvoir... Parce qu'on constate que beaucoup de gens, dès qu'ils prennent de l'eau, ils n'ont plus envie de, manger quelque chose. Par exemple, en rompant le jeûne, tu prends quelque chose de frais. Tu sais que ça va euh, amener une construction de la paroi intestinale. Et dès qu'il y a construction, ça veut dire qu'il n'y aura pas étirement de la paroi de, de l'intestin, à plus forte raison pour qu'il y ait accumulation de beaucoup d'aliments dans le ventre. Et il y aura aussi construction Qu'est-ce que je veux dire par vasoconstruction C'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui doivent eh, absorber les aliments du type digestion et aussi ils vont eh, eh, se construire. Et par conséquent, vous allez voir qu'il y aura peu d'absorption intestinale et il y aura peu d'aliments que, ces individus d'après. La question que beaucoup de jeunes se posent est faut-il prendre des aliments chauds ou frais au moment de la rupture La nutritionniste Dr Hajara répond. Je prends mon jeûne du matin jusqu'au soir. Je viens le soir à la rupture. Je dois me dire, en, premier lieu, je dois prendre quelque chose de, chaud pour pouvoir permettre à, mon intestin de s'étirer et pouvoir prendre beaucoup d'animaux. Et en deuxième position, je dois chercher à satisfaire mon besoin nutritionnel. Je, connais les activités que j'ai faites pendant la journée, alors je sais que mon organisme a besoin de ceci. Ou bien je sais les activités que je veux faire demain, je sais aussi que mon organisme a besoin de tel aliment et tel aliment. Alors je veux prendre des aliments qui sont riches en glucides. Et quels sont ces aliments qui sont riches en glucides Par exemple, le sucre de table que je peux mettre dans la bouillie, parce que la bouillie est faite aussi à, à l'aide d'aliments, d'aliments et le mil par exemple, qui est aussi riche en glucides et qui peut aussi nous permettre de, de, de satisfaire le besoin nutritionnel. Le riz aussi, il contient de l'amidon, il est riche en, en, glucides, lui aussi ça, ça nous permet de satisfaire le besoin en glucides. Prendre les boissons chaudes et froides simultanément est aussi déconseillé, selon la nutritionniste. Conseil diététique signé euh, Zara Boukar depuis Zander. On se reprend juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Rejoignez-nous sur le club WhatsApp du studio Kalangu en enregistrant ce numéro 80 06 88 54 et en envoyant un message WhatsApp à Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangu se poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire sur les questions environnementales, direction d'IFA aux abords de la de Wannan sowa da kuke ji na bayyana matsalolin da ke kewayen dugu Yobe, fusata da kuma bacewa a jere na hana al'ummar difa da ke bakin tafkin kwantawa lafiya. Daga cikin waɗannan mutane akwai madu. Shekara uku da suka wuce zuwa biyu kenan duka yawanci ambaliya ake kuma yawanci gidajen da ruwa ya cinye ma akwai wanda har yanzu ba a sake gina ba kadanin suka haƙura suka bar wajen. Gidana bakin ruwa yake kuma ina kiwo eh, rabin gidan nawa duka ruwa ya cinye ne yanzu na rasa ma inda zan ni kiwo. A shekara ta biyu kusan iyalai dubu biyu da suka kunshi mutane fiye da dubu goma sun yi fama da ambaliyar ruwa a da wannan tafki yana da lokuta na janyewa waɗannan shekaru ruwa suna fitowa daga shimfiɗar su sauyin yanayi zai zama dalilin wannan al'amari jibrila malam kalla ya zana mana wannan sabon al'amari. Le débordement ya de zandroit au fil d'un siècle on n'a jamais vu l'eau venir kujeru sont devenus des bras de la Comadougou. Donc, le changement climatique est réel. Sauyin yanayi na kawo mugun tasiri ga mutane da ke bakin Komadugu da ke kasa kula da bukatunsu na yau da kullum. Avant, vous aimez peu pour récolter beaucoup. Mais maintenant, vraiment, il y a un problème. Les gens vont récolter. Au nord, ils sont obligés, ça ne marche pas, il faut mettre du sorgho pour attendre novembre pour récolter. Tout ceci, ce sont des effets du changement climatique. A kusan waɗannan illoli sauyin yanayi na buɗe ƙofa ga mutane da dama da ke kula a yau da bukatunsu na yau da kullum. Jibrila Malam Kalla ya yi ƙarin haske Il y a des bras morts de la Comadougou qui prennent de l'eau. Maintenant, ils font le maraîchage au niveau de ces bras morts. Ça, c'est un avantage. Au niveau de la pêche, on a des espèces de poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir, de gros gros, et ça rapporte beaucoup d'argent. Pour le commerce, je crois au niveau de l'environnement, ils valu même un milliard hein, à ce qu'ils apportent de la pêche comme bon. Yaki da amari daga indallahi kamar sauyin yanayi na kasancewa mai wahala duk da haka ana kokari na wannan al'amari domin yin abu mai amfani. Kwararru sun nuna hanyar da za a bi. Ya possibilité de s'adapter à cette situation. Quand l'eau arrive, comment emmagasiner ces eaux-là et comment les rendre utiles Vous pouvez faire la pêche, vous pouvez faire le maraîchage. En tout cas, ce que je vois, c'est l'adaptation, une adaptation surveillée à travers un certain nombre de services qui s'occupent de ça. C'était la rubrique hebdomadaire réalisée par Maman Ada. Voilà, chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web www.studiokalangu.org. Vous pouvez désormais télécharger l'application du studio dans Play Store à Studio Kalangu au rythme du Niger. Il est 11h à passer de 24 minutes. C'est l'heure de faire un tour à région. Direction Agadez, plus précisément dans la commune de Timia, où l'économie de la commune se repose sur l'élevage, le commerce, l'artisanat, le tourisme et surtout le maraîchage. Les producteurs utilisent encore des moyens traditionnels pour exploiter les terres. Donc le challenge des autorités communales est la transformation sur place de la production maraîchère, explique le maire de la commune Aliman Mohamed. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Timia est réputé pour sa vocation maraîchère, acquise de longue date. Timia aujourd'hui est une zone de production de plusieurs variétés, de fruits, de légumes. Nous sommes beaucoup vraiment connus pour la production des agrimes, des fameux agrimes de Timia que vous voyez souvent exposés à la place Toumoua à et ailleurs dans la ville de Niamey. Nous produisons aussi des dates, des légumes, des oignons, des tomates, de vraiment de toutes sortes de productions maraîchères. Notre challenge aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment à transformer cette production maraîchère-là. Nous sommes à un niveau de sont vraiment très élevés. La commune produit beaucoup de produits maraîchers, mais malheureusement, le côté commercialisation ne suit pas. Est-ce que vous avez eu à envisager des solutions par rapport à la mi-vente des produits Oui, déjà, le fait que les villes Lagadez et Dalet sont saturées, déjà, l'une des solutions, c'est qu'on a commencé à explorer d'aller dans les villes, les grandes villes du Niger, notamment Niamey. C'est une des solutions. La deuxième aujourd'hui, c'est vraiment la transformation. Nous sommes vraiment en concertation pour le moment, je peux dire, avec plusieurs partenaires, dans les projets de coopération allemande, les projets de la conversion de la commune pour vraiment créer une unité agro-industrielle de transformation de ces agrumes-là pour produire du jus naturel bio que vous allez consommer euh, vraiment dans, dans vos canettes, euh, dans toutes les villes du Niger, Inch'Allah, bientôt. Monsieur le maire, quel est l'apport de ces travaux et tous ces produits-là dans l'essor du développement socio-économique de la commune de Timia La production maraîchère fait de Timia la stabilité en termes économiques, en termes sociaux. Les jeunes sont occupés à travailler dans le maraîchages. C'est ça qui fait que les jeunes n'ont pas une tendance à aller dans certains travers comme les bandits de là. Je pense que le maraîchage fait la stabilité de la commune de Timia en termes sociaux, en termes de conflits, en termes de bandits de là. Monsieur le maire, est-ce que des efforts ou bien des initiatives sont envisagées au niveau de la commune de Timia pour accroître la productivité oui, pour accroître la productivité, pour qu'elle aille à un, niveau industriel, effectivement, nous cherchons à emblaver d'autres espaces. Mais là aussi, nous le faisons de façon vraiment très ingénieuse, très méthodique, parce qu'il ne faut pas aller aussi au-delà de notre environnement aussi. Il faut préserver l'environnement pour euh, avoir ce cadre de ville encore idéal, parce que les maraîchages puissent beaucoup d'eau. Les maraîchage a besoin aussi d'espace. Donc, nous cherchons vraiment à timer aujourd'hui de créer une agriculture plutôt écologique pour vraiment rester en harmonie avec notre environnement. C'était le reportage à Région avec Mokhtar Hamadou. À présent, Rabi place au sport avec notre chroniqueur du jour, Adam Sariou. Bonjour, Adam. Bonjour Rabi, bonjour Mariam. Adam, nous débutons cette rubrique sport avec un point sur les classements de la Super League du Niger, dont la 21e journée s'est jouée le week-end. En effet, l'AS Fan occupe la première place du championnat avec 45 points, suivi de l'AS Nigelec et l'AS GNN juste derrière avec 40 points chacun. En bas de tableau, dans la zone de relégation, nous avons trois équipes, à savoir le Tagour de Dosso, 15e avec 16 points, même point avec la Koukana FC Dalit, 16e. Et enfin, Espoir FC Desender, 17e avec 13 points. Et quel est le classement des buteurs Alors, euh, dans le classement des buteurs, nous avons vu le jeune Zachary Victorien Adebayor en tête avec 12 réalisations. Zachary Isaka Moussa du Sahel Sporting Club, deuxième avec 10 buts. Et Elvis Bernard de l'Ice qui ferme le podium des meilleurs buteurs du championnat avec 9 réalisations. Nous rappelons que la Super League et toutes les autres compétitions de la FENIFOOT entrent en trêve et reprendront après le mois de Ramadan. Adam, changeons de registre cette fois-ci, nous parlons arts martiaux à Kyoto. Eh bien, nous allons découvrir ensemble le club de taekwondo de la commune rurale de Kyoto, créé en 2010 par le maître Kuresh Moussa. Notre correspondant Barhamou Hassoumi est allé à sa rencontre, on l'écoute. Le club de taekwondo de Chota, ça marche pas mal parce que certes les élèves ou bien les enfants ne sont pas encore euh, élevés. ils ne savent pas ce quoi exactement l'art marchand d'abord, mais il y a des comptes qui savent et c'est les parents qui les obligent de venir faire euh, vraiment l'art marchand. Euh, oui, mais pas mal ça, ça donne un peu parce que je l'ai fait un prix forfaitaire de, pour que tout le monde puisse faire le taekwondo. Chaque compétition donc régional ou bien départemental ou bien national même, le club participe. Mais malheureusement, je n'ai pas fait une affiliation du club de Chota, mais j'ai les régions au club de Berny comme Berny aussi a un club de taekwondo, donc j'ai les régions là-bas qu'ils puissent participer soit euh, départemental, soit régional ou bien national même. Dans les entraînements, on voit beaucoup de difficultés parce que, les parents Souvent, ils envoient leurs enfants, ils ne suivent pas. Alors que le taekwondo, là, c'est sous forme d'une éducation. On devrait éduquer les enfants, on devrait les montrer au moins le respect des gens. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour d'autres informations sportives. Bye bye. Merci bien Adam pour ces informations. Passons au portrait du jour. Dans la, de la partie portrait d'aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Abdelwahad Garba à Gauré, c'est un jeune orphelin en classe de 4e qui, depuis le décès de son père, a pratiqué plusieurs activités pour entretenir sa famille. Oumou Morou s'est entretenu avec lui. On écoute. Aïgo école. Defu ne kula agite gai aïko aiko batuka kuai ka aïko goigoi zete asiga nyimo aiko école. J'ai dit hana gai torka hawa aimo koi keke noru. to oh. ifo gindan goye wa kura abdulwahid wallahi wa ayu ala tum dina sai na dai to zai kafu ne kole ko gaina urke shi dai dai mu kai mun ne mamma sai mun irin ta kina gonde kai ne ya kina sai ta kulfo ni gocho ai wace sai te bubai ka tiram ne gote kaya kaya kan ni gote asigan gin ke gote mu Allah asigan gi ai ko dai kafu ne kole mu ko Allah asigan gi ai ko la agoka ne sai kaya kama ka ne sai a kulle go te jarban de ka fu ne kula ay se ka ay ko haba ba se ka no ma go ka ay de tor ko de far kai inga ne go go da kin ay go du ne kana haba haba ne ko akin bor fo ban ne go ay ko ko do ko ngonga ay ko ay ko ko gure ko kure ko kan kan ne ko su ban go haba haba kul ne ko kan wa se mene de du kan vacancy inga ne ko de du kai ne ma ka gisi ay inga ne murmur ga ay de tor ko de far kai da ya kul tor ka zambar waran zanende kindiniza farkamo zambarwo kindiniza nende to marikin maricino nibdu habora to habora an fa a ga duzangu i duzangu i yai maka dan asusu yadin yadin dai ko habo han kai do kai na am da fo gine am da mu maka na am da ya sam da kirsi inu za gir fon sitin kai kaya wote za za mil disedira ka kason aiga kaya kaya din tai go maru maru kaina kaina ya asiga hay kulga gin choyo woga Allah asiga ganji ai moya ko kokor bonna moya kan duzu virgil ka to business ne du to so ifo filer fo ni gotino di santer wodo mini zeri bati men ne wot Allah go ma ka ne go wana mu to so abul wahidu wayo kan ni gotira ifo kuti sugin da gomni kala duwara ai go ma ka ne zama zama kan kan dai ko no di mutai erin kan zai go wana go fam irga te sheje irga te table irga te irga te tabure hay kulli irga te ay man ka ye kolo ga la ay te habu habi jen ka ay so ka ye kolo bana sonda didu vacancy ay ay ko habu habi jen ba son ngane shi sino ni ne ga nongo ay go chine mi da ba mu dat na kina fay ko ta ka. me a asiga nyam me hawge ga mu ay ko ta suku o albaro isiba se go follon follon kai go follon ga da gi sona am ko woni te ay ga mai bon do ni magari ne go hawti shi ka ba da bar fay bon ne go ka ban ne go ti Portrait inspirant et touchant du jeune Wahidou signé Oumou Oumarou. Chers auditeurs, écoutez les journaux et magazines du studio Kalangou, appelez le 325 gratuitement jusqu'au cinquième appel, puis 15 francs par appel via la puce RTL. Pour écouter les journaux et les magazines du studio Kalangou, appelez le 325 gratuitement jusqu'au cinquième appel, puis 15 euh, francs au sixième appel via la puce RTL. On se reprend juste après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, Rabi, il est temps de prendre soin de nous avec la rubrique rose. Eh oui, amis auditrices et auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous écoutez l'émission Le Niger sous Kalangou et c'est l'heure de la rubrique rose jusqu'au bout des ongles. À l'occasion de ce mois béni de Ramadan, nos chroniqueuses vous proposent des astuces et recettes pour passer de bons moments et pour votre bien-être. Au micro, Rukayatou Abdraman, Mariamade et Fanta Shamsou. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la cuisine, la mode et la culture, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Avec moi, Rookie, dans l'espace santé et bien-être, vous découvrirez comment soulager les brûlures d'estomac avec des ingrédients à portée de main. Cette sensation désagréable qui peut nous surprendre à tout moment de la journée se règle avec des ingrédients et épices que vous pouvez trouver même dans vos cuisines. Le premier produit, c'est le lait. Un verre de lait froid peut nous soulager en cas de brûlure d'estomac de façon temporaire. Si vous ne tolérez pas le lactose que contient le lait, cette astuce est déconseillée pour vous. Le bicarbonate de soude. Un peu de bicarbonate de soude mélangé à de l'eau réduira le niveau d'acidité de votre estomac. Il fonctionne comme un antiacide. Cependant, ces remèdes naturels ne remplacent pas les traitements médicamenteux qu'on vous prescrit dans les hôpitaux et centres de santé. Donc, hâtez-vous chez un médecin si les brûlures d'estomac persistent. je le confirme parce que euh, à mes débuts de crise d'ulcère, je fais vraiment un traitement choc et on me l'a fait à la clinique et depuis ça fait des mois, il n'y a plus rien. Donc vraiment le mieux c'est de se rendre dans un centre Les astuces là c'est pour les flemmards. Hein. <laughs> un vrai traitement c'est mieux. Merci, on passe à la cuisine. Cette fois-ci, on va parler de la recette de jus de citrouille. Les citrouilles sont des plantes riches en vitamine C et vitamine A. Elles sont donc très efficaces pour lutter contre la constipation et contribuent ainsi à protéger votre vie. Pour vous aider à savoir plus utiliser ces citrouilles qui sont pas quittiles que dans le repas, vous pouvez en faire aussi de jus naturel. Dans ce cadre, nous avons échangé avec Roquette Soleil du centre ABC des Maladies qui nous donne la recette du jus de citrouille. mai ja mai kyau mai zaƙi yana ma iya ɗanɗana ta in ya sayi ya samu karot ɗin shi sannan ya samu lemu orange da citron sannan zai iya samun sucre vanille ɗin shi da ɗan aromatic ɗin shi vanilla zai yanke kabewa shi ƙanana ne sannan ya sa ta cikin blender ya markaɗa ta da karot ɗin shi ya markaɗa su ya tace su ya zuba sauran kayayyaki shi kenan ya haɗa lemun shi ya sa shi cikin firigo sanyi kaɗai ake bukata gaskiya yana da amfani da yawa saboda abubuwa ne wanda masu ƙara lahiya ga jikin mutum surtu masu ciki ana son suna yawan amfani da ju na kabewa ba matsala yara da manya duka suna sha sabida yana ƙara kuzari cikin jikin mutum Coucou les filles, c'est Fanta, bienvenue dans l'espace cuisine. Aujourd'hui, on va parler de quelques astuces intéressantes à connaître en cuisine. Astuce numéro 1. Ne rincez pas les pâtes. Lorsque vous rincez les pâtes, le goût et l'amidon naturel qui aident la sauce à coller sur les pâtes partent avec l'eau. C'est pour cette raison que certaines recettes suggèrent de récupérer l'eau des pâtes pour faire la sauce. Astuce numéro 2, la cuisson des œufs. Et pour cela, le sel est votre meilleur ami. Vous voulez que la coquille de vos œufs durs se détache en gros morceaux plutôt qu'en millions de petits fragments Ajoutez une cuillère à café de sel, soit 5 ml, à l'eau avant d'y plonger les œufs. Dernière astuce du jour, comment dégraisser une sauce Mettez des glaçons dans un tissu bien propre et placez-le dans la sauce. La graisse deviendra ferme et se retirera bien plus facilement. Fanta, pour ton astuce euh, des pâtes, là, personnellement, euh, j'aime pas que mes pâtes se collent. Hein. Donc, moi, je rince toujours. Bon, après, tous les goûts ne se discutent pas. Exactement. Donc, euh, c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. On espère bien que toutes ces astuces vous serviront dans votre quotidien. On se dit à demain pour d'autres astuces. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique rose, tout en espérant que vous avez kiffé. Eh oui, c'est le moment pour nous d'écouter le loti. Et dans la chronique de ce jour, nous parlons de l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village. On écoutera Kia Arimi et Samira Rouafi pour plus de détails. alaikum mata mataga ham wa alaikum assalam eh rabi ninno mataga ham furme ifanu gote di tege okul kan goni jino baro zan kai pasporo na igo keki paspor kwai ne oho me ne bai son fulan zama wo. giri kulu iro ga kwai fu no iro kwai kawai no ga fulan zam ya dinga agan mu kwai fu agan mu ko agan labu amma wasagan se kala agan mu yega to hal kauye ga kwai ne wallahi wa gargal loga aga bisagan se agan da zan kai a ah, no din nai beri me boro aga tila sai ga ai mu koi inda zan kai irin fulan zamno kai koi no mo lokacin kan ni zan kai imdi ingai kayai ayya walla ai singu wani te fis bidillahi ifo se kauye dori bobu no gono dini se no wallahi dai koi niger ai su koi kauye so ku fadi ne zan kai gai bande ir koi beri rabi ifo no ni goga ciwo e ni nyai zai kan gono din fa kan baka si go gono dai tai mu gadu mutuka lai ce ai mai labari me aban o me aban mi ifo ni bem te koyni hey rabi di gonda botu yam matan woni gite ay gi ce han foyen mu ay gi sambi se ay fo kain fo dai gonda ni mil kan ni woni bisaino kan din gonya mai din gonda batu igi kanido isi badi non go mora masidin yankan kauye koyen wo gonda ma na beri a ganin ni almiyalai maboriyan bai yadin mono igizan ka kai kai nai bai im forun da kere imin ganyai zai mo bai to haya kan nigo ciwo a agba la sabu kukufa sindi la sabu ni di kan inga yiwo, iga bagumo ir kan tibor kai ir no ba, ir no himna ir mu ga diyai ir diri zankai di din kwanda zankai monodin isi fagi bogyan man ne kala da izai kai kauye dogu bobu sambuka ai mo wallai si ba wadi muka iga Borai kan go nodin binde imu te mate ibu inga wo idona no mu haba To, da yadin no, aran bumbo gihin gado na me. Hawa, bai gina ni masan nawa ai ne ni sai su kwandai ai su kwai mu. Haba rabi, dingo zurdorai seno, kwai ga loktar kwar borai ha, shawara. Ni gihin ga kwai din wana safariyan kan ba da zan kai genta ni gihin gino safari. aiwo matkan ai no ya kul dai gogo kwai ai ga kon dai safariyan ya din mo ga ba kon da wariyan ai mu duga hina nodini jama kulman wa mm hawa da dai yakin no aiki mila ga aiki hin kwai a ga teme rabi yadin mu na ta dai koi a yanzu ra yayi wani kau yara <laughs> aigi barfo bai waka kan si ba fando kan iga gana ga koi anzura yayi kau yayi do hmm. son waka ya wai bai kan iga no nugo ai ma abori ai faham hmm. ai gin shawara sambo mm. ai diyan gawo ai hinno gon la sabo ne indumi ha'a borbo bu mo gono kan yan gonda masalawo duma ayigitan ma irim gala hali bar mai fa a ah, to a bisa zama hankan hani ine borai kulma imiye ngai wani kwara gidi matukan no ne gite man gano ni kwai gindi sako gisi hai kauye me ni mu <laughs> ne kauye kwai ne gwardan ya mai kan ni goga mila kan inga ka ni kwara wallahi ni gicim ai sun tinga diga wo sola ai kwanda zan kai mu ai banda kauye da irko yadda to a bisa wo kai bo zama dinga ba ni mu kwasu ni kurnya ga nim koy gidi bani wani anzura nodin da kwar yara masidir yankan nodin mosa gifin bifono ai ma dai ka daidai kwai <laughs> to irko dai birke ba amina C'était là le loti offert par les femmes du studio Kalangu, découvrant ensemble la recette à culinaire. La communauté musulmane est à son troisième jour de jeûne pour accompagner les femmes dans leurs tâches culinaires. Nous vous proposons aujourd'hui la préparation du couscous fait à base de blé, un plat traditionnel qui est d'origine berbère. Hawa Ousmane s'est entretenu avec Akassa Akastef, ressortissant de la région d'Agadez. On écoute. Ka tuwon gargajiya ba ni yanzu kuskus ne za ni da gurasa ganin muna saba kuskus na alkama ne ba farin alkama ce kadai zani alkama tsaki mi tsaki mi gari gana ana saba ana tadawa ana zuba ruwa kin gani da ko kina gani yadda ake saba alkama sai mun tsinte ta mun hidda kasa mun hidda salte mu surfa sai mu kai mu niko ta in muka niko rabi sai mu yi tsaki da shi da za mu kuskusu din mu yi tsaki daban mu yi gari tsakin shi ne muke samu ruwa muna tadawa sai muna zuba gari muna sabawa to shi kuskus ba a iya da sadin sai a yaya kuma cikin madambaci ake tadawa dafa shi ake sai a yi ne eh kamar yadda ake silala kuskus haka nan ake da shi in ya silala a hito a wanke sai a maida cikin madambaci a sa mai a sa gishiri sai a maida da shi kenan ya to yanzu kama ana kai maidawa nawa da za a rika mishi cikin madambaci a hudda a maida yanzu in muka yi sa ta faru maida biyu muke kenan duka sa uku muke cikin madambaci. to ita kuma gurasa ya ne ake hada ta eh, sai an shi masu mu dama ta in muka dama da yis da dan gishiri da yakan wa mu dama sai ta tashi sai mu liƙa mu liƙa cikin tukunya eh din na ga wani lokaci sabin ana shanya shi ya bushe shi bushe shanya ne ake hada shi busasshe shi in aka tada shi ta guda ne ake da an hiddo daga cikin madambaci sai a murizo sai a shanya sai in kana son kai aiki da shi wa'in suna ruwan zafi su wanke shi kan ki tashi aiki sai ki jika shi ki wanke in ya jika sai ki bi madambacin ki ki hauda yana shekaru yawa ma na kuskusa ne amma muke shanya tun da yanzu kin san alkaman magu ya gare ta ba ta wanda da zamu zawa da kata muka samu ta wallahi yanzu ne ake muka ta dashi bisa hidda ba eh to shi wannan busheshen in kai shi yana kai wani lokaci kana aiki da shi wallahi yana dadewa da ba ya komi ya sha wuta da fa an shanya shi ya bushe kamar hatsi hatsi kin san sai shekara ma yana aji ba ya komi wallahi ko shekara yana aji ka ɗo ko ka fece ka yi ruwan zafi ka wanke shi kenan sai to shi wani kuskus na sabi kamar cikin sabga ne kake aiki da shi ko ko da in ka gana mana ka tashi ka hada abun ka ko sai in kana da sabga mu garin wallahi sai in ana sabga dan wuya garin shi kace kai tuwo tuwon kuskus yanzu in kace tuwon kuskus sai kai hammi a azhar sai ma baka ida ba in kana sabawa kenan zaka na sabga sai kai gayyen mutane gayya kake yi a kama maka sai an yi wajen kwana nawa ana yi Merci bien Hawa Ousmane pour cette recette. Mariam, nous continuons avec les recettes et nous sommes avec Habiba Ahmed qui va nous présenter sa recette de beignet garni de blé magata de une spécialité des Touaregs. Oui, Kéloé. <laughs> Voilà. <laughs> ok, Habiba. Ok, ma recette, c'est magata, c'est sous forme de petits beignets garnis de viande. C'est un mhm. mets de Touareg Kelwe, cas particulier de Timia. Mais je vais la faire en tamashek. D'accord, <laughs> on y va. to magata tsana ma ishin na ya musan sana kel ma un kele waya ci tagin senan sirtimiya amma um, kwasi togu ftizara ta tagmiya alkamannam asu tagmaya takkasagasti jirgin as tikkasti jirgin tawe qusmashin as jazad ta saddu tigmiya tame ta negil tatikan takata kullin wullin asu tatikan takata ta wuyar daman taro yakku ega surge da staga manu gutnin in ke yan mosan attamin da lagabnit asu talagaba taragaz tigmiyel mut senar to nana di kullat tarihan as tigmiyel mudwenan mara tatakalu damu cikkan mu cikkan tabassara asu tibsara تقمي تقورت زريقت كو تقغاسن كتزدا أستزادة مر القيد تكلا قنتو قنتو تساوي رقف لن الموت تتساوي رقف لن الموت انك تسان قنك تسان قنك تسان قنك تيقو أستستغرد انك تيقو جغولا انك كدي واتمرن منتي تسانسا قو أمر زا تقمي تيلي كنم تاني دكي أستتقمي ندتلي كاتا نموني دكي تاكنا قان astan takane tagna malba sannam tili sannam yagaskid baysa wunna gutni gutni tasin sekkan astigi tasragatim sinnam taskudwa tintinam asta taskadawa tagartun wiji astigertun wiji takla dalbasa wunin tagada madihena taga qindaqtin takladi sanega sisano gutnen wargetun tushushma willen tasana nakana gorne sana shoshaman tamdanna sana igammada yawana tagarinaysan gutnin astan tigeetanay farantaynanayman cakan tagarindisan tamatum yagasna kanurun tagidata furnuatisena ortanitugu yowana tisena yajiweida gas alkimum tisenanta isan wamajgan wurci lasunwi watike wamajga wurci alkimum alkimum maratan kullu majgan kullehen tikkilidde alkimum ne mingumde zat tagada sam cikkan yagas wurget tagayiggin astu tigi mara ta san wa kaya ta wuni san wa kantara gaya kankana ba wani san mm-hmm. asu wani san alakhte na mara ta gada na ma mu cikkantin azis na ma ta yaqu aja gisaga ce nanno ya nanno ya nanno ya nanno asta ne yunwa amara da takala a hatonin da henan egel na munin troye da henan a mu mu cikin siyan yin ta zakkan تزوجي زقن سيانيا واجن تزوجزا يقارت نساغت تناسا ينوا تزقري ورقو تقل تكل الدين روندي ناين تقل تزوج زقن أستنين تديقا الساغت ميرا تنتسيقري ولا تسيقري ولا قن تسيقري ولا قن حبيبة je comprends pas grand chose. Je t'arrête un peu. Ça a l'air tellement délicieux, même si je comprends pas grand chose. Alors j'ai retenu guntu guntu, j'ai retenu euh, oui, morceau, tomate. morceau. Voilà. Et j'ai retenu el kemou. Oui, le mais en fait, c'est une épice très prisée hein. chez les Touareg. <laughs> Elle est incontournable. Très parfumée. Et on signale que l'on peut retrouver chez les maraîchers euh, d'Agadez à la oui, fois, à la place Oui, bien sûr. Ils sont toujours la même. Voilà, voilà. Mm. Très parfumée. Alors, continue, même si je ne comprends pas. Je sens que c'est vraiment délicieux comme beignet. D'accord, mm-hmm. ok. Amarastige, tsigriwi lakan, tsigriwi lakan. Astige, tinam tagla. tisenin tilkama ya mo sar ce musun san yara yara tene ne wullen mhm. asuwar mu wullen kam sirn me da ta saqidu yimallan warnwa mhm. kina yin shilki da ta ga gasa sagat anta sun wune ci fraga da kala wayan alkama wi hena ta san ta san wa da tige ta sahin ta zigri wala ta ne muninka amma sun kin tana ya ta kasar da ga mu cikkan da chokal amma su tana mallul yunwa mhm. ta qalat burburatin ta tagga sinki da tagga sinki da ga wayan Amaras amarastana ya awawi henin nyiga amar ta gammo kwansat ama wuni kullu adin mushwin asa mushwana ama wuni a jiggur aman kundi bi isan artna amam cikkan kindi bi san kindi bil kama nan mar tagmiya sirwin nam tzdaqqa taqu tzdaqqa taqu tzdaqqa taqu tzdaqqa taqu asu san wuni a asiggiza nam masnil kama wenin artu yenin kulli yirwa yirwa yunwa ameras tige burburetin

voilà. Alors, c'est le moment pour nous de passer à la rubrique culture linguistique en français et en zarma. L'actualité oblige, le mot de la semaine est ramadan. Et c'est avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Bonjour Rabi, bonjour. Bonjour. Euh, Mariam. Mariam, avec Abiba qui nous a amené Koulou Koulou. c'est qui était là, Bon, il m'a Koulou Koulou Bobo. Kuna matakina randa akida. yaye ma kalmai zo kan boyirga salan ti me hawo yin mil kai hangana kai ina ku bai dabani yu ga temo dabani amin da me hawa man sintin da kala marsa hando a jirbokin nifa ngano ina di in jella bo kaira handu mono kan ti arsalam tare handu yegganta arsalam tare wone hande kabe mo sanda matki ne kalandiriye handu mono karra in kurana zumandi in eh, a rano in kurana zumandi irko ji muhammad sallallahu alaihi wasallam bon ana kundo a kuldo agomu aslamtare ganjera ganji bere kan yan ganji aslamtare ganji gowa me haudin ago arabor ma han me hau hando me ame me hau me hau mo handu mo no kara aslamai inge me matkiti me hau te yadin no igi muradu bobu mote ka koi addina ga ka sufure bobuyan ceki ya dinga matka shi na ranga aran faham da mai hawo arsilamu ba funera a gwanda nan gusu bananta nan bambata bora ga hamba no se bora addino se bora burtara a borin da yongo me se a kulgono numa no kara nigin mayo gayi nigin zai gayi nigin gagare me ame gayi matka da irko no ya marda imate an bori ci ne na aina ci da hannu kan bore iga gingin ya ga gumu ga dina tabbatan diyan sai silman kai na dai eh, mai farmadin ado hare kanmu bore ngai wani doron da sai gum gum wani bor fo yan ke kyo me ame no hare na akwai kati a gomo nim hi ma kala kaddan kati matkanci na ga hagunda ci ne abubuwan ci da nim ni kullo ta mu wani ko kate <laughs> ma hanga buri. eh, eh zama niga han banu mudu magatta yan oh ah. voilà niga han banu mu aga ko aga gumo man me farmadin temat ga gunda walla agala min ga han bano ga zan me hawa ka sirko intelesan bore ga bonu zama me ni ga han bano din aga so konno kan ganan ni bano mu ko bai giro me ame to merci musa ir me ferbani Merci, Moussa, pour ces précisions sur les jeunes. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. À présent, écoutons les messages vocaux des auditeurs qui nous ont envoyé des messages. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. To sakon da zani isarwa a studio Kalangu shine gaskiya emission inda suke kowane iri ne ma suna burge mu saboda suna kawo mana information kala-kala bisa kan kasan mu sirtu ma bisa kan mata da kasuwanci haka abin yana burge mu sosai. Gaskiya mun son samu ne a dan kara lokaci balle ma ni da emission ɗin nan ta mata ta hi burge ni saboda emission ta mata duk inda mata za a ce gaskiya ka inda suke ci gaba nan muke so mu. Muna son a ce mata ga sun san ciwon kansu suna ta ci gaba da su gaskiya. Kenan in mun samu a ci gaba da irin emission ga kuma a ƙara lokuta. Ni ne Zanadu ana Arlit game da shirye-shiryen da kuke a cikin gidan rediyon nan na Kalangu gaskiya yana ƙayatar da ni sosai shirye-shiryen naku suna birge ni sosai ina ra'ayin sauraron ku kuma a kowane lokaci shirye-shiryen da suke gabatar da 'ya'ya kamar kuɗin aure da suke magana a kai. cewar amma uwaye magana a kai. abubuwan duka yanayi ne na rayuwa ka shigo dole sai ana sasanta a kansu komi a yi shi yanda ya kamata insha Allah. cewar sana'ar da za a yi matashi yana hidda mu kan shi wani abu ba cikin cewar yana nan cikin mutuwa zuciya kullum ya kasance cewar yana neman abin da zai hidda mu kanshi takaici su gane abin da ake nufi ana faɗakar da su a kowane lokaci ya zama abin suna aiki da shi ina tunanin a ƙara shi ni da anawa saboda ina sauraron su ne kuma suna faɗakar da ni sosai ina karu a kan shi Allah da ya da sa'a na kawo bakar ahmed zango nirmaniya gaskiya ni kin sali na tizara da na sassale studio kalangun hisalla wasilli anta da itagge waye wa kullin nara ta wanda tagge ni salla na garazana na wulle wullin to ni kini zara ta na garro salla na zuwa karhe biyar da da stuwar ta shatan nerfi anta da na garro salla kullu wanda wanda masu na madal kullu wannan fa na madal to waje gawar tilana gwamnati na kal studio kalangun gazan da gazan mara sun sallo arwa da wara de wanna studio kalangu den tamara da sassa gidan ta wansa sortin gara agala kunna ninda je kullar ta gawa ya komi da komi grant jela نقلار طايا كسجلين بارا نار طايا مكان رايو كلهم كله دير سنسلو مرة gastani kinar tay gani burgiya wulle wulle wanda studio kalon gode salam kullu wonna masne wonna skarne wonna masne wonna magaragar wonna wonna masne qiyon kulli de tan garo nagaro sigri ma sai amfana wulle wulle insha Allah tabarakna Allah gaskiya radio studio kalon guni kini gastani chan fani salizran tulle wulle salizran tulle insha Allah Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, c'est la fin du Niger sur Kalangou d'aujourd'hui. Vous étiez compagnie de Maria Madé et moi-même, Rabia Maikano. À la technique, c'était Sene Isaka et la grande dame Rahila Tousmana, notre chef d'édition. Excellente journée à vous et bonne rupture de gêne. Bye bye.